Alors, en effet, depuis quelque temps, vous avez dû remarquer que il y a en tout cas cette facilité-là qui est offerte aux, aux, jeunes dames qui sont dans le groupe pour réaliser soit leur leurs rêves, mais également pour euh, assurer en tout cas euh, l'autosuffisance en tout cas de leur euh, situation financière. En effet, euh, les tontines électroniques, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et de quoi s'agit-il Donc les groupes WhatsApp se forment et à un certain moment, euh, pour ma part, ce que je connais, nous faisons toujours euh, des rencontres. Et ces rencontres-là nous permettent d'abord de se connaître, mais aussi de poser des actes euh, ponctuels, celles qui vont nous permettre non seulement d'assurer notre euh, indépendance financière, mais également de faire des activités génératrices de revenus. Nous savons euh, toutes que ce n'est pas toutes les femmes qui ont un niveau d'indépendance financière acceptable. Et nous savons également que la femme, elle a toujours euh, d'autres préoccupations qui est le bien-être de la femme. Quand nous ne travaillons pas, nous, les leaders des groupes WhatsApp, nous conseillons aux femmes qui ne travaillent pas, en tout cas, de trouver très rapidement des activités génératrices de revenus. En quoi faisant Soit en initiant des petits commerces, pour que parmi nous, les femmes qui sont dans le même groupe, que nous puissions acheter entre nous. C'est ça la solidarité que j'ai appelée la solidarité des groupes WhatsApp. Alors, nous savons toutes que l'enfance ça fait partie, en tout cas, des, des réalités culturelles du Niger. Toute femme utilise l'enfance chez elle. Il y a différentes catégories d'enfants. Maintenant, les enfants qui sont enfin abordables et qui sentent très bons, qui durent. C'est ça que nous recherchons. Parfois, nous ne les retrouvons pas sur le marché et même si nous les retrouvons, nous n'avons pas de l'argent à main pour les acheter. Alors, qu'est-ce que nous faisons Nous initions des tantimes. La promotrice, elle est là, elle a suffisamment de bouquets qu'elle peut offrir. Eh bien, avec le peu de ce que nous avons, nous initions cette tontines et chaque mois, voilà, nous, nous ouvrons la caisse. Et puis, soit on envoie par les, institutions financières que vous connaissez, soit, bon, on se retrouve chaque fin du mois et on fait la collecte. Pour moi, pour moi, c'est une très bonne initiative. Pourquoi Parce que c'est de l'entraide que nous faisons. C'est la solidarité entre sœurs, nigérienne que nous faisons. Et ça, ça va au-delà du Niger. Parce que quand vous, vous, posez des questions un peu partout dans les groupes WhatsApp, vous allez voir que le plus souvent d'ailleurs, on ne se connaît pas, mais on se fait confiance. C'est vrai que ça peut avoir des risques, mais le risque n'est pas trop, euh, n'est pas très élevé. Elle n'est pas très élevé. Et donc, pour ma part, euh, j'encouragerais vraiment ce genre d'initiative tout simplement pour permettre non seulement aux dames euh, d'acquérir ce qu'elles peuvent avoir et, euh, en, leur donnant la possibilité de payer par tranche, mais aussi ça nous donne, ça nous donne confiance en nous-mêmes et ça booste d'autres personnes à aussi émerger dans le business. Euh, en fait, il y a différentes sortes de tontines électroniques. Hein. Il y a aussi les tontines électroniques euh, d'argent. Il y a les tontines euh, de, de tout ce que vous connaissez sur les, par exemple, le Achikwakwa. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que le tontine. Tontine Achikwakwa, c'est quoi C'est pour la ménagère, c'est-à-dire c'est tout ce que nous utilisons chez nous, à la maison, pour la communauté, c'est-à-dire le repas. Voilà. Au début, la tontine traditionnelle à quoi au tout début, c'est quoi C'est que nous formons justement ce groupe dans le quartier. Dans le quartier, ça, c'est la solidarité des quartiers, des communautés. Donc, chacune apporte ce qu'elle a chez elle. Si c'est un paquet de maca, si c'est une boîte de, tomates, si c'est euh, euh, une boîte d'épices, vous voyez un litre d'huile, euh, un paquet de riz, voilà, c'est ça que nous nous rassemblons, en tout cas. Si nous sommes 20 ou 30 ou 40 ou 50 dans le quartier, on se retrouve chaque dimanche ou chaque mois et puis on donne à une dame. Voilà. Et donc ça, c'est ça la solidarité féminine. Voilà. Au tout début, c'était comme ça que ça se passait dans les quartiers. Voilà. Mais maintenant, au fur et à mesure, euh, ça évolue un peu ça se modernise un peu. Nous avons les deux catégories qui sont valables. En tout cas, il y a des femmes qui préfèrent qu'on aille acheter pour elles ce qu'elles veulent. Et puis, elle va avec les, promotrices, en tout cas de la tontine. Elle fait son choix, on paye pour elle. Parce que, pourquoi elle préfère ça Parce qu'elle pense que si on lui donne l'argent cash, la raison pour laquelle elle a opté pour faire cette tontine-là, elle ne va pas exécuter quelque chose peut venir contrecarrer, en tout cas pour qu'elle réalise, réalise rêves ce, là Donc c'est pour ça que beaucoup optent pour qu'on leur donne, pour qu'on leur achète le produit et qu'on leur remette ça. Mais il y a d'autres aussi qui voudront recevoir l'argent. Et le plus souvent, il y a un problème qui se pose en ce moment. Parce que dès qu'on dit tontine, par exemple, meuble, eh bien, il te faut un meuble chez toi. On, va rassembler l'argent. Tu vas, tu vas voir, parfois on, rassemble jusqu'à un million, deux millions, mais on va pas te donner ça. Parfois, il y a toujours des problèmes qui réagissent. Parce que la femme, elle dit non, non, non, donnez-moi mon argent. C'est moi qui sais quel meuble je vais, je vais prendre, je vais acheter. Et nous sommes intransigeants là-dessus. Quand on fait les tontines meubles, il faut que ça soit très clair. C'est pour acheter les meubles. Maintenant, la facilité, comme je viens de dire, c'est que tu sois associé au choix du meuble qu'on va t'acheter. Et c'est à toi de choisir. Donc, avant même de commencer la tontine, on essaie de voir les, les commerçants qui ont les, les meubles. S'il faut les commander, on les commande. Et puis, la personne est en train déjà de fabriquer les meubles. Quand l'argent est au complet, maintenant, on remet on remet, et, comment dirais le meuble en question. Donc, il y a le pour et le contre. Vraiment, ça, moi, pour moi, je rentre, j'accepte de rentrer dans une tontine et de meubles. Et eh bien, je voudrais qu'on m'amène le meuble que j'ai choisi au lieu de me donner l'argent. C'est très simple. Parce que si tu veux, si on te donne la possibilité de faire la tontine argent, vas-y rentrer dans la tontine argent. Tu rentres dans la tontine meuble, mais écoutez, c'est le bon sens voudrait que on te ramène les meubles que tu auras choisis. Et c'est la même chose pour tous les produits.